y égale à mx plus p a aussi un vecteur directeur. Je vais m'expliquer. Je prends euh, dans un repère orthonormal OIJ, soit delta une droite, et deux points A et B de cette droite, c'est-à-dire le point A et le point B appartiennent à cette droite. Maintenant, le vecteur AB, le vecteur AB le vecteur AB, c'est-à-dire comme la droite passe par le point A et par le point B, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite de la droite delta. On t'a donné soit delta une droite et deux points. A et B qui appartiennent à cette droite. On te demande, détermine un vecteur directeur de cette droite. Comme la droite passe par le point A et par le point B, tu connais les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, calcule les coordonnées du vecteur AB. Ce vecteur AB sera un vecteur directeur de la droite delta. Maintenant, tout vecteur non nul collinéaire avec le vecteur AB est aussi un vecteur directeur de cette droite. Tout vecteur non nul collinéaire avec le vecteur AB est aussi un vecteur directeur de cette droite. Je m'explique. La droite AX plus BY plus C égale à 0, cette équation générale de la droite a un vecteur directeur, de même que l'équation réduite y égale à mx plus p. Maintenant, comment on détermine un vecteur directeur d'une droite Si tu as une droite, par exemple delta, qui passe par les points A et B, si tu connais les coordonnées de ces deux points, A et B, calcule les coordonnées du vecteur AB. Calcule les coordonnées du vecteur AB. Ce vecteur-là est un vecteur directeur de la droite delta. Maintenant, tout vecteur non nul collinaire à AB est aussi un vecteur directeur. Donc, tout vecteur non nul, non nul collinéaire A, AB est aussi un vecteur directeur de la droite delta et aussi un vecteur directeur de la droite delta. Bon, on va prendre un exemple. Exemple. Dans un repère dans un repère orthonormal, dans un repère orthonormal, dans un repère orthonormal OIJ, OIJ, on donne, on donne les points, on donne les points j'ai dit tout à l'heure, si on a une droite delta qui passe par deux points, A et B connaissant leurs coordonnées, si je calcule les coordonnées du vecteur AB, ce vecteur AB va représenter un vecteur directeur de cette droite delta. Et tout vecteur non nul collinaire à AB est un vecteur directeur. Maintenant, un exemple. On m'a dit dans un repère haute OIJ, on donne les points A de coordonnées 2,1 et B de coordonnées 3.2 détermine un vecteur directeur de la droite AB. Je pouvais dire aussi détermine un vecteur directeur de la droite delta. Bon, on va déterminer ce vecteur directeur. Comme la droite AB passe par les points A et B, pour déterminer son vecteur directeur, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, calculons, bon, je souhaite une ligne, petit a, déterminons déterminons un vecteur déterminons un vecteur directeur de la droite AB. Bon, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Pourquoi Parce que la droite AB passe par les points A et B. On aura x de B moins x de A, point virgule, y de B moins y de A vecteur AB x de B 3 moins x de A 2 point virgule y de B moins 2 moins y de A 1 donc on aura vecteur AB aura comme coordonnée 3 moins 2 il me donne 1 point virgule moins 2 moins 1 il me donne moins 3 donc qu'est-ce que ça signifie le vecteur AB de coordonnées 1, 3 est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, le vecteur AB qui a comme coordonnée 1, 3 est un vecteur directeur de la droite AB. Donc là, j'ai déterminé son vecteur directeur. Deuxième question, bien le petit b, on me pose la question, est-ce que les vecteurs U et V sont-ils des vecteurs directeurs de la droite AB U et V sont des vecteurs directeurs de la droite AB si U et V, tous les deux, sont collinéaires avec AB. S'ils ne sont pas collinéaires avec le vecteur AB, dans ce cas, U et V ne sont pas des vecteurs directeurs. Maintenant, on va voir la suite. Jana tu kero be sono manga jangale gita do bushe do fai wayan Ge elef ta tolo chi exam linga sala am da fita mo gena Asure kolo